waaw laaj buy samp moom mooy lu Sénégal du jëfee dogal yi nga ne ñooy bàyyeekoo bitim ci yi nga en tout cas juridiction nationale parce que ñun ñoo dugg ci ci de justice de la wala groupe de travail sur la détention arbitraire ci a ni euh, ñoo ko mën a expliquer bu ci njëkk moom mooy benn bi moom mooy dafa nekk li nga xam dafa ak état du Sénégal beneen bi moom mooy ña nga aussi euh, ñoom la dogal bi soxal euh, état du Sénégal ni di wala ñuy indi décision de justice de la CEDEAO bi loolu lu mënoon a ñàkk la loolu lu muy wone rek moom mooy euh, ñàkk culture démocratique ak ñàkk gëm euh, état de droit bi nga xam ne moom la ñuy woote saa su nekk parce que état de droit moom mooy état mooy volontairement nangu yoon tënk ko limiter pouvoir am à travers des décisions yi nga xam ne ñooy jóge bitim réew wala ñoo nekk ci ñooy jóge ci kuréel yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi euh, loolu bu weesoo moom mooy ñoom umpale wuñu réerale wuñu ni euh, décision yooyu dafa nekk ay décision yi nga daf di tënk ci wàll bu euh, lu ci protocole bi nga créé cour de justice de la CEDEAO muy protocole 1991 article 19 bi dafa ne bépp dogal bi nga xam dafa euh, salfaañe ak ak yelleefu doomu aadama daa nekk euh, décision bi nga xam ne day tënk état bi nga xam ne moom la dogal bi euh, concerné beneen bi moom mooy article 15 ou même traité bi alinéa 4 dafa ñëwaat biral loolu mais boo demee ci règlement intérieur bi euh, arrêt au cours de la justice de la CDAO, bi article 62 dafa que dogal yoyu day dal di teunk rew mi nga xamne mom euh, en tout cas euh, rendre décision bi contre mom mais également day teunk sax courel bi nga xamne mom moy CDAO koku article 62 bi moko wax donc ci teunk décision yoyu bu xesse daanu dafa nek ay décision yi nga xam ne amul appel amul fenn fi nga xam état mën na ko sur le plan national ou international donc lolou lu koy biral rek moy euh yenen état yu bok ci kuréel gi muy euh, Gambie par exemple amna ben affaire bu ko opposé won ak ben professeur Etim mais Gambie dafa tënku ci lolou amna aussi ay yenen décision ci ay condamné à mort euh, Gambie daf ci mos di tënku muy aussi Niger ñom ñep dañuy jëfé dogal yi kooku moom mooy comportement comme nu ma ko doon waxee état bi nga xam ne di ma jàpp moom mooy ña nga xam ne ñoo ŋànk nguur gi dañuy woote état de troit mais nekkul li nga xam ne gëm nañu ko sinon dinañ ko firnaal parce que saa su procès amee ñoom ñooy jël euh, lu mat juróomi layookat Euh, par exemple pour la ci affaire bi nga mo opposé sociale libérale contre l'État du Sénégal mbirum parrainage bi ak ci agent judiciaire de l'état mi nga xam ne leen di représenter donc que moo lay wan xam nañ lan moy conséquence bu décision dans manam décision bobu xam nañ dañ ko wara a donc tay euh, mbir amul ben xel ñaar benen bi nak mom pàcc bi nga xam ne moom mooy ñi nga xam ne dogal bi ñoom la concerné muy requérant yi ñooñu tey souvent dañuy dal di toog ñu bëri Sénégal fii ci at yi passé bàyyi Macky Sall ak yàlla ñun nag duñ ko bàyyi ak yàlla loolu moo tax ñu continuer woon di wëyal xeex bi ci avril bële passé 2022 ba Antoine Diome ñëwee indiwaat beneen arrêté ngir dekkalaat mbirum parrainage attaqué woon nañ ko ci Cour suprême dugal ñaari recours recours bu njëkk bi juge bi dafa waxoon ne mënu ko en tout cas euh, dañu ko gàntaloon parce que ñoom jàppoon nañ ne dafa am décision wu euh, conseil constitutionnel bi nga xam ne taxaw na ne mënuñu ko juger en urgence boobu nag moo war a ñëw le 9 avril le 9 novembre bii di ñëw 9 novembre euh, 2023 à 10 heures ci cour suprême chambre administrative et que boobu euh, luñ fa war a atte

manam est-ce que euh, Antoine Diom a na sañ-sañu a décision ba nga de justice de la CEDEAO kooku maanaam euh, tontu bi day nekk tontu bu yomb ñu japp ni nak tontu yoyu bu amé mom moy day dal di système parrainage Sénégal et que dana am euh, ci processus euh, électoral bi nga xam ne moom la ñu dëgmal di dem ci présidentiel yi parce que kooku maanaam day dàq mbirum parrainage ci élection yi di ñëw donc day changer euh, donne bi euh, voilà donc loolu ci tënk en tout cas moom laa la mënoon wax. bon la question c'est pourquoi le Sénégal ne respecte pas les arrêts de la Cour de justice de la CEDEAO euh, à mon avis, il y a deux niveaux d'explication. La première explication est liée à l'état du Sénégal, plus particulièrement au comportement et à la culture euh, de ses dirigeants. Euh, ce n'est ni plus ni moins qu'une manque de culture démocratique que de ne pas se soumettre à des arrêts dont ils connaissent euh, le caractère exécutoire. Euh, concernant les arrêts de la Cour de justice de la CDAO, on n'a pas besoin de rappeler que la Constitution sénégalaise de 1963 euh, prévoit effectivement la primauté des traités internationaux sur les dispositions de droit interne. Donc s'il y a une contrariété, il va de soi que ce sont les traités, donc les décisions communautaires qui s'appliquent. Un autre point, c'est que les arrêts des violations euh, des droits de l'homme, il est de principe et de jurisprudence au niveau de la CDAO que ces décisions sont obligatoires. C'est rappelé à l'article 19 du protocole euh, sur la Cour, c'est le protocole de 1991, mais également ça a été repris dans l'article 15 à alinéa 4 du traité révisé. Euh, autre point qui montre aussi euh, le caractère obligatoire de ces décisions, c'est l'article 62 du règlement intérieur de la Cour qui mentionne bien que l'arrêt de la Cour de justice de la CDAO a une force obligatoire à compter du jour de son prononcé. Et on estime effectivement qu'à compter de cette date, la décision est définitive inattaquable en droit parce qu'il n'y a pas de procédure ni d'appel ni sur le plan national ou international. Donc pour clore, euh, l'article 96.2 euh, du traité dit clairement aussi que euh, la Cour communautaire, ses décisions sont exécutoires et sans appel. Donc à tous les points de vue, les États sont bien conscients que, du caractère obligatoire euh, de ces décisions de la Cour. C'est tellement évident que lorsqu'il y a un contentieux, l'État ne laisse jamais le terrain vide. Euh, son agent judiciaire est chargé euh, de le représenter, mais en plus de l'agent judiciaire, l'État du Sénégal constitue toujours et systématiquement des avocats. Dans l'affaire qui opposait l'Union sociale libérale à l'État du Sénégal, l'État avait euh, constituer cinq avocats en plus de l'agent judiciaire. C'est pour vous dire effectivement qu'ils sont bien conscients euh, des conséquences qui peuvent découler d'une condamnation éventuelle. Donc maintenant, le fait de ne pas respecter, comme je disais, euh, procède d'une manque de loyauté, de fair play et de culture démocratique et de soumission à l'état de droit tout court de la part des autorités sénégalaises, bien entendu, mais de notre côté, euh, il y a aussi quelque chose qui résulte euh, de l'attitude des requérants, ceux qui ont obtenu gain de cause et qui arrêtent le combat et, et abandonnent. Et le Sénégal a eu l'habitude effectivement de jouer sur l'absence de risque contentieux par la suite euh, et c'est pour ça, effectivement, qu'ils ont peut-être pris cette mauvaise habitude. C'est tout le sens, en tout cas, de l'audience qui va se tenir le 9 euh, novembre prochain euh, devant la Cour suprême de Dakar à, à partir de 10h et qui va opposer l'Union sociale libérale à l'État du Sénégal. Ceci suite au recours qu'on avait déposé en en, avril 2022, lorsque Antoine Diom, qui était ministre de l'Intérieur, avait pris une décision pour ramener euh, le système de parrainage pour les élections législatives après l'avoir écarté pour les élections locales. Nous avions estimé à l'époque que c'était une décision qui violait euh, en tout cas euh, la décision communautaire qui ordonnait au Sénégal de supprimer le parrainage dans un délai de six mois et le fait effectivement de le ramener était euh, constructif d'un acte de défiance et de violation de la légalité. Le juge de la Cour suprême avait estimé que la procédure ne pouvait pas être jugée en urgence, puisqu'en face, il y avait une décision du Conseil constitutionnel qui semblait valider le système de parrainage. Et aujourd'hui, euh, dans, en tout cas d'ici quelques jours, le 9 novembre précisément à 10h, nous serons à la croisée des chemins. Ce sera l'heure de vérité. Euh, la question qui se pose est toute simple, c'est une question évidente en droit public. C'est est-ce que, voilà, donc un État, euh, fut-il le Sénégal, a-t-il le droit de violer une décision communautaire si bien que euh, son article 98 de la Constitution prévoit la primauté et la soumission effectivement aux décisions communautaires. Donc euh, c'est tout le sens de l'audience et l'attitude que nous avons prise est une euh, attitude de combat qui va aller jusqu'au bout. nous allons épuiser les voies de recours internes si l'État ne prend pas ses responsabilités nous irons effectivement euh, voir euh, maintenant à nouveau le juge communautaire pour qu'il engage la responsabilité internationale du Sénégal pour fait illicite euh, du fait du comportement effectivement de ces organes étatiques, notamment judiciaires, si jamais d'aventure effectivement il ne réaffirme pas avec force les principes du droit public qui veulent effectivement qu'un arrêté ne puisse pas violer un traité international. Je précise que la décision qui résulterait de l'audience du 9 novembre 2023 pourrait avoir un impact euh, certain sur le processus euh, de l'élection présidentielle en cours avec le système de parrainage. Du moment où le parrainage a été déclaré illégal par la Cour de justice de la CDAO, il va de soi que si la Cour suprême euh, confirme, en tout cas, et dit le droit public, c'est-à-dire constate, on leur demande juste de, constater cette illégalité. Il va de soi que si l'arrêté est annulé, euh, ça veut dire que l'arrêté qui a été pris aussi pour la présidentielle est illégal. Et subséquemment, bien sûr, on pourra demander l'arrêt du processus électoral en cours, en tout cas concernant les parrainages, et qu'il soit écarté parce que étant illégal, contraire au droit électoral sénégalais.